doit discuter. Et effectivement, c'est eux qui doivent avoir le dernier mot quand on doit choisir la date de l'élection présidentielle avant le 2. Et c'est ça, c'est l'idéal. Reste que, de mon point de vue, quand un président de la République, notamment Macky, quand on l'a écouté hier dans une situation assez grave, où, de mon point de vue, il a agité le drapeau blanc, celui de la réconciliation, celui de l'unité nationale et celui, si vous l'intérêt commun, l'intérêt national, il me semble qu'il y a quelque chose de très positif qu'il y a là. Parce que, comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. de mon point de vue, il est bon euh, même si on n'est pas dans le dialogue, d'être dans aussi l'apaisement, parce que c'est notre rôle aussi de dire d'être toujours dans l'apaisement, euh, parce que le seul fait de dire je respecte mon mandat, le deux, mes fonctions, je termine mes fonctions et je fais autre chose dans cette Afrique où nous vivons, dans cette Afrique des coups d'État militaires, dans cette Afrique où l'on ne respecte pas la limitation des mandats. Le faire au Sénégal aussi, c'est dire, c'est marquer que le Sénégal est un pays, comme je dis, roseau, qui plie et ne rentre pas. Ça garde intact, si vous voulez, le prestige et l'image démocratique du Sénégal. Mais qui a fait des erreurs Quand c'était difficile, nous l'avons dit, Nous avons subi même une situation d'ostracisme d'État. il me semble qu'il faut savoir aussi bien tourner la page. Euh, bien tourner la page, c'est se parler. Quand, dans une démocratie, les, acteurs n'arrivent plus à se parler, et quand les relations sont des relations de violence, ça va être la violence d'État, avec les chars de combat, avec également les policiers dans notre environnement, mais aussi les récits de prison que nous avons entendus. Ça aussi, c'est la violence d'État, la violence de la rue, la violence symbolique. Je pense que cette société, elle est malade. Il faut la guérir. La guérir, c'est faire en sorte que les gens se reconnaissent, se parlent et fassent humanité, comme dirait Suleiman Bachir il faut qu'on se reconnaisse qu'on fasse de l'Ubuntu. Le dire, ce n'est pas de la démagogie. Se parler, c'est la relation normale entre les êtres humains. quand ils se parlent, quand ils discutent. C'est comme ça qu'ils fabriquent le monde ensemble. Et c'est ça que nous devons faire. Même si on à, une pour la mais pas à Je suis tout à fait d'accord effectivement, on attendait une date. Mais on a eu une date. Il y a un seuil critique. Moi, j'avais fait mon poste sur les seuils critiques, le 25 et le 2. Dire le 2, la date, je m'en vais, c'est respecter aussi la Constitution. Dire le 2, je m'en vais, c'est respecter la Constitution. Maintenant, c'est à nous, en tant que société civile, en tant que politique, en tant que peuple, de voir comment nous organiser, comment nous parler pour continuer le processus électoral en cours. Et de ce point de vue, moi, ma position, c'est qu'aujourd'hui, il faut que les candidats et ceux qui organisent les élections, ceux qui sont dans la régulation électorale, le ministère qui organise matériellement, qu'ils se parlent et qu'on tourne la page. Et ça aussi, je pense que euh, en parler, en discuter avec euh, le président. Je pense qu'il pourrait comprendre. Je pense que sa disposition actuelle fait qu'on peut avoir des solutions pacifiques, apaisées et tourner très rapidement les pages, la page de l'élection. Je veux dire que l'élection, ce n'est pas la démocratie. Il faut faire extrêmement attention candidat à la présidentielle te it ñu nekk euh, ñi nga xam ne ñoom la conseil constitutionnel tànn ni yéen yéenay dem ci élection yi ci sama gis-gis ñooñu ñoo war a nekk ñi nga xam ne ñoom la ñu war a gën a déglu bu ñuy tànn date bi ñu war a def élection yi parce que loolu mooy yoonu processus électoral bi à la limite dañu wara tok ak ñi nga xam ne def élection yi muy ministère de l'intérieur muy aussi Sénat muy ñeneen ñu sét naka lañuy def ba nga xamné mën nañu dem ci élection yi ci biir Afrique parce que man damay liggéey ci réew yi nga xamné dafa am crise gis nañu aussi jafé jafé yi am pour président yu bari di respecter limitation de mandat dañuy wax date mais man dama doon xaar date 2 parce que date 2 dafa impo 2 ah, avril dafa am importance te bu ne la 2 avril sama mandat day jeex damay dem loolu tamit respecter constitution bi la dañ ko reconnaître maintenant li ci des nag mooy waxtaan bi mun naa comprendre ñu bëri bu ñu bugguñu d'accord ci waxtaan parce que dañu leen yàgg a nax ci waxtaan parce que problème bi du waxtaan mooy problème mooy ñi nga xam ne ñooy toog di waxtaan est-ce que am nañu mandité est-ce que jéemu nekk di naxante loolu moo tax waxtaan yàqu waaye waxtaan bu amul ci diggante ñoo xam ne ñoo ko war a seq ñu bokk réew mi mooy suñu démocratie feebar na parce que tey boo xoolee suñu démocratie ak violence bi nga xam ni moo am violence d'État la ay at depuis 2021 pratiquement boo génnee Sénégal chaaru policier yi policiers yi ngay gis ko comme violence d'État boo toogee aussi nga déglu ñi nga xam ne ñu ngi jógee ci prison yi di wax da ngay tit parce que lolu tamit violence d'État la mais tamit violence rue bi xeer yi ñuy sanni ñin ñu dé mais lolu il faut ñu jóge ci il faut ñu fexé ba nga xamni dotul am lolu lu am solo la donc su fekkee ne moom toog na ni ah léegi damay laaj damay wo jubo damay wo dal damay wo réconciliation nationale damay wo unité nationale man Alioune dama koy rafetlu parce que lool rek lay wax waaw moy wani wo dialogue lool rek lay wax bis bu jot donc ku melni man boko ko da nga ma ah fekk si nga ma ci lima ne dama koy dama koy rafetlu kon nak nañ fexé ba nga xam li ci dess na rafet rek waaw li ci dess nañ fexé ba nga xam ku ci nek ci fi nga xamné fofu nga tollu di liggéey nga fexé ba mu rafet président fexé ba mu rafet ñi di candidat fexé ba ñu rafet société civile fekk ba mu rafet té ñu xamné démocratie idéale la dé démocratie moy comme nit rek nga fébar ba am katan ba xamné da nga da ngay wër ñu démocratie nak bu féké né day fébar di wër di am immunité day nekk démocratie boo xam ne démocratie bu baax la loolu daal moom lay wax li ñu def fi ñuy def daal li ci des daal nañ ko rafetal et def ko ci jàmm def ko ci teey def ko ci dal.